Assalamu alaikum, c'est Mbakaï, comme l'une koy di def euh, altine c'est votre rendez-vous de point de vue sur Madère TV que je rappelle encore une fois vous pouvez voir sur www.maderpost.com ou les applications telepath.net ou encore africaorigine.net alors aujourd'hui euh, c'est rien que de la politique deux points, deux, points sur lesquels nous allons parler. Le premier, je le retiens parce qu'il a tout simplement été évoqué par euh, le député, l'un des députés en tout cas qui a été le plus reconnu dans cette dernière législative, législature autant pour moi, qui s'achève le 31 juillet prochain, c'est le député Théodore Chérif euh, Monteil qui a eu quand même à revenir un peu sur cette décision prise par le président de la République l'année dernière, vers la fin d'année, en annonçant le retour du Premier ministre, du poste de Premier ministre. Et à cela, après, il y a eu le vote des députés, bien entendu, parce que loi maintenu loi Mokei Dindi à l'Assemblée nationale, loi Mokei India, donc député en situation d'urgence, d'une vote pour le retour du Premier ministre en janvier passé. Diganté Bobo mu am déjà une première fois une deuxième fois même peut-être le 23 janvier Nous avons si loo les locales euh, qui ont été remportées en tout cas dans les villes hein, euh, par euh, Yewwi Askanui et par l'opposition en tout cas à Dakar Djurbel, Jess, Ziguinchor ce qui est considérable encore une fois par rapport au bassin électoral et par rapport à la représentation du scrutin c'est quand même plus de 65 euh, du scrutin euh, des suffrages euh, dans ces principales villes, remportés par l'opposition. C'est vrai que le pouvoir avait dit en son temps que, en fait, c'était pas le Nounia, que c'était tout simplement une conquête bundéfone qui a été ratée. Mais il ne s'agit pas de s'attarder sur ça. Il s'agit tout simplement de parler du poste de Premier ministre que le président a voulu faire revenir, surtout ce qui avait été invoqué par le gouvernement du président, euh, c'était que, compte tenu de la nouvelle situation qui faisait que le président de la République du Sénégal passait pour être à la commission de, par la commission présidente de l'Union africaine, que donc euh, il se retrouvait avec un temps un peu plus euh, devant travailler pour les Africains en même temps pour le Sénégal, il fallait qu'il se décharge sur un Premier ministre. Alors là, le mot que député votait, mais depuis le bataille, nous sommes quand même c'est le lundi nous sommes le 14 mars Mon bu mu par rapport au fast track Mon moo wax rek jël ay décision assemblée nationale par rapport à un vote bo xamante majoritaire parce que mom moo la mouvance la majorité présidentielle nous voté loi Gogou. donc bu ko bëggee tam mu ñëw defe naa du pour mom rek bopam pour Sénégal pour gëna yombalé le la liggéey ci Sénégal pour gëna euh, lu mu tudd gouvernement bi gëna mëna gawal a gaawal liggéey boo xamante ne la gisoon parce que moo que jugé woon peut-être au au préalable défavorable par rapport à ce qu'on appelle le ce qu'il avait appelé le fast track ba ñom ñu théoriser ko bu démé ba gis que doxalu nonu ça c'est le minimum de courtoisie républicaine et il faut dire les choses telles qu'elles sont c'est le minimum d'un respect que nous attendons quand même de notre chef d'État vis-à-vis des Sénégalais que nous sommes ce d'autant que le président étant aujourd'hui le président de l'Union africaine ne peut pas se permettre de ne pas donner le bon exemple chez lui Nous ñu le lu Mali nous Guinée ñu lu Burkina Faso Nous bëgg en négociation par rapport à tous ces pays par rapport à un retour à la normale à la normale moins que les militaires jouent le pouvoir le pouvoir du jox civil parce que l'on lañu xam si wàllu démocratie bu vous ne yow sa de que d'accord le en tout cas le loo ko surtout de ce point de vue parce que les sénégalais pourquoi il s'est passé quelque chose quand au mois de février et qu'on appelle qui est très intéressant pour nous tous aussi bien le président de la République qu'il s'agisse de nous tous de bon l'opposition peut-être mais nous, sommes sénégalais de nous. nous. la victoire des Lions le 6 février au Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations de indi loo xamante nous moom depuis très très très longtemps et qu'on peut considéré comme étant un bonheur auquel on peut affecter un indice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais, depuis cette date, connaissent un véritable, ont connu un, bonheur, sont heureux et existent du point de vue footballistique, se sont mis peut-être pas au niveau du Cameroun en termes de, de victoire, mais ne serait-ce que par rapport à une victoire, ne serait-ce que par rapport aux victoires extraordinaires, peuvent aujourd'hui se considérer comme étant dans le cercle des nations du football, dans le graal du football. bonheur c'est pour dire combien, combien parfois du point de vue immatériel, et c'est là que ça devient important, du point de vue immatériel, les Sénégalais peuvent se retrouver autour de l'essentiel, tous en un seul élan, qu'il s'agisse du pouvoir, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse de l'opposition, nous sommes dans cette dynamique. Cela dit, cela dit, il nous faut revenir aux fondamentaux quand même. Et les fondamentaux, c'est quoi Nous sommes en train de le voir par rapport à une guerre euh, de la Russie contre l'Ukraine qui a envahi l'Ukraine le 24 février, qui pose de sérieux problèmes économiques va poser des problèmes probablement au niveau de la consommation de blé parce que même le pour c'est à peu près 12 millions voire 12 millions de miches de pain par jour au Sénégal guerre où bu il va falloir Sénégalais Sénégal Sénégalais na bu ñu anticiper il dina am loo ne mën si luy gën a India situation bu en tout cas si février euh, janvier à ce qui précède l'autre affaire par rapport toujours à cette guerre moi tout simplement le surenchérissement du prix du baril du pétrole qui est en train de flamber et qui pourrait poser un véritable problème à notre budget dont l'essentiel pourrait être pris justement pour l'importation de pétrole. Ça veut dire que nous pourrions nous retrouver dans une situation où cet indice de bonheur pourrait très vite s'effriter pour revenir à la réalité du quotidien et là, et là, le problème pourrait se poser et il ne faudrait pas qu'on soit là à perdre du temps, qu'on ait à reprocher au président de la République des choses qu'il aurait dû faire qu'il devrait faire pour la seule et simple raison qu'on considérerait que le président est dans la bonne action, en tout cas, et du point de vue politique, dans la courtoisie républicaine. Et cela est d'autant plus important que Bounou son discours, vous tenir tout récemment, tout récemment, il fallait à à l'occasion justement de la cérémonie d'ouverture du Dakar à Medina Gounas, président Amloum par rapport à son parti politique nga ñu quand il s'agissait des locales ñu qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire mais ben, tout simplement de créer des listes parallèles Demel seen Bop, mu am loo xamante discipline de parti mun nañ pas ne que loolu du affaire euh, euh, lu mu société civile du suñu affaire du c'est l'affaire du président de la République mais il est aussi important que stabilité buy am Sibir. APR nous avons ne ñoo que ci mouvance présidentielle pour diriger ce pays et donc nous sommes destinée en main en tout cas jusqu'en 2024 day sérénité parce qu'il est question aussi de notre quotidien et de notre devenir en tout cas donc c'est dire que le président a effectivement raison de rappeler tout le monde à l'ordre, de le dire qu'il est hors de question que chacun ne fasse n'importe quoi par rapport à des ambitions tout à fait personnelles qui peuvent avoir un impact est fortement défavorable, non seulement dans ce qui s'agit, euh, dans ce qui est la mouvance présidentielle, la majorité présidentielle, mais sur la gestion finalement de, notre pays, parce qu'il faudrait tout simplement qu'au-delà de l'exécutif, que le, deuxième pouvoir, que le, pouvoir législatif, puisse être justement, euh, pour ce qui est du président de la République, euh, entre, les, entre les mains, il faut le dire, de la majorité, ce qui n'est pas forcément notre, notre affaire à tout le monde, parce qu'il est évident aujourd'hui que quand on voit comment les choses se passent, ne serait-ce que par rapport à la nomination d'un Premier ministre, vous imaginez que si l'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale, on n'en serait pas là. Et la courtoisie républicaine aurait été respectée. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, en tout cas, c'est que le président nous a mis devant une situation, mais lui-même se retrouve devant une situation devant laquelle il ne devrait pas être, pour la seule et simple raison qu'on ne peut pas parler euh, qu'on ne peut pas être président de l'Union africaine, développer un certain nombre d'arguments par rapport à la démocratie, développer une neutralité par rapport à ce qui se passe, ce qui est très bien d'ailleurs, euh, pour nous autres Africains qui n'avons pas les moyens, nous n'avons pas le nucléaire, nous ne sommes pas dans l'espace, nous n'avons pas les forces militaires pour, donc nous ne pouvons qu'être intelligents, c'est très bien, mais par rapport à nous-mêmes et par rapport aux Africains, il doit être aujourd'hui le garant de la démocratie, donc le premier à respecter la courtoisie républicaine. C'était tout pour ce numéro de ce lundi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre numéro de point de vue. Merci.